Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire du décryptage de l'actualité de la semaine. Les sujets qui ont marqué cette semaine et qui ont retenu notre attention sont la série des dépôts d'armes par des mouvements rebelles armés de la région d'Agadez. Ensuite, le salon de l'artisanat pour la femme SAFEM qui débute ce 6 décembre jusqu'au 15 du mois. Enfin, la levée du mot d'ordre de grève de 48 heures de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation. Pour en discuter, je reçois Hussein Issa, journaliste indépendant. Bonsoir, doyen. Armi Abba, journaliste à la radio alternative, bonsoir. Bonsoir. Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Madame Nafissa. Je suis Nafissa Adam Sirfo la modération. Chères auditrices et auditeurs des programmes de Studio Kalangu, merci de nous recevoir chez vous. Le Niger a enregistré en l'espace de quelques semaines, dans le mois de novembre, deux cérémonies de dépôt d'armes par des mouvements rebelles de la région d'Agadez. Ces redditions ont eu lieu à la demande des autorités nigériennes dans un effort de paix pour le pays. Sedi journaliste et analyste des questions sécuritaires au Sahel, analyse ces deux situations. Il est joint au téléphone par Salamat Kadri. Il y a eu une médiation conduite par les communautés auxquelles ils appartiennent, particulièrement la communauté Toubou de la région du Kawar qui a pris une part très active à la médiation entre les militaires au pouvoir à Niamey et les combattants de ce groupe. Ils ont déposé les armes à la suite de ces négociations et ce n'est pas très surprenant parce que la capacité de déstabilisation de ce mouvement armé est très symbolique, elle n'est pas d'ordre militaire ou stratégique. Il était déjà très difficile pour ce mouvement de créer un rapport de force qui leur aurait permis, par exemple, de venir sur Niamey ou de prendre des villes et de le contrôler. À partir de cet instant, leur capacité de déstabilisation n'étant pas très importante, on peut comprendre que plusieurs combattants aient choisi le chemin de la négociation et du retour dans le processus c'était là donc à Abba, journaliste et analyste des questions sécuritaires au Sahel, sur cette question des redditions euh, de certains membres des mouvements rebelles de la région d'Agadez, ainsi donc à plusieurs désormais ex-combattants des groupes armés, notamment du Front patriotique de libération FPL, ont officiellement déposé leurs armes dans la cour du gouvernorat d'Agadez. On peut citer Idrissa Madaki. Alors je commence avec vous, Arimi Abba. Quelle est votre analyse de cette reddition de ces ex-membres des groupes armés euh, Vraiment, moi je dirais que c'est une très bonne chose. Hein. C'est une très bonne chose. Euh, parce que je ne crois pas euh, souvent au tout militaire. C'est-à-dire euh, Les conflits qui opposent, euh, que ce soit des, comment on appelle, des soldats, des militaires, mm-hmm. ou en tout cas un État à ses propres fils, n'est-ce pas ou à des militants d'organisations terroristes même, je pense que ça ne peut, et d'ailleurs même dans n'importe quel cas, ça ne peut finir que autour d'une table. Mm, mm. Donc quand, cette solution euh, qui n'est pas armée, quand cette solution pacifique est privilégiée, euh, c'est mieux. Euh, mais aussi c'est le lieu de dire que tous ceux qui opposent vraiment les armes à leurs propres frères nigériens ne sont pas forcément contre l'émancipation, contre le développement de l'État du Niger. Les gens prennent les armes parce que parfois c'est la seule solution qu'ils ont. Euh, parce que si tu n'as pas les moyens de t'exprimer, si tu n'as pas le moyen euh, de te faire entendre, euh, bon, c'est la dernière solution. Parce que une chose n'est pas simple, c'est d'aller ailleurs euh, pour essayer de survivre. Or, ça, ça ne résout aucun problème. Mm-hmm. Et donc, moi, je pense que, les, que les gens déposent les armes, c'est une très bonne chose. Et il faut accepter les frères, les fils, des enfants qui acceptent de déposer des armes à un moment donné et revenir. Il y Malheureusement, a eu également plusieurs médiations des figures locales. oui, bien sûr, c'est ce que je, je, voulais en venir mm-hmm. euh, là. Ça ne peut se faire euh, généralement il y a des modes, on a des modes aussi de conciliation traditionnelle mhm, mhm, mhm. et tout, dont il faut tenir euh, compte. Euh, il y a des communautés, n'est-ce pas Chaque communauté d'ailleurs a ses modes de conciliation qui ne sont pas souvent connus au niveau central. Donc, euh, dans le cadre vraiment euh, de la reddition, dans le cadre vraiment du dépôt des armes euh, des enfants de ces terroirs-là qui prennent les armes, il faut toujours aller voir les sages de ces contrées qui auront certainement des solutions à proposer. parce que on sait aussi, hein, mhm. naturellement au Niger, de façon générale, on ne veut pas dépasser la parole de nos sages. Les sages, c'est généralement les parents biologiques, c'est mhm. les parents vraiment proches, mais aussi c'est les parents du village, n'est-ce pas, qui savent quel langage tenir. Mhm. Maintenant, euh, comme toute solution à une crise armée, il y a généralement des tentatives de règlement de compte, voilà, qu'il faut éviter. Oui, mais ces redditions, il faut le noter, euh, ces redditions ont eu lieu à la demande du gouvernement, des autorités nigériennes. c'est-à-dire que euh, sans cette main tendue, ces, membres de ces groupes armés ne l'auraient pas fait de leur plein gré. Mais ça, ça rassure ça rassure. Quand celui contre lequel, parce que symboliquement, c'est contre les autorités qu'ils se, se, battent, parce que c'est contre les, généralement, ils s'attaquent au, au, symbole euh, de l'État. Tant que tu n'as pas l'assurance que si tu déposes les mm-hmm. armes, tu seras accueilli, accepté et peut-être même intégré, mais eh ben, tu ne vas pas le faire parce que euh, quoi qu'on dise, déjà c'est pour la vie qu'on fait tout, n'est-ce pas Et que si tu viens et que tu risques d'être pris, emprisonné ou vraiment tué, tu ne, tu le sais pas. Donc il y a une certaine, un certain nombre d'assurances dont les gens ont besoin. Mm. Déjà, hein, il y a plusieurs réductions de tous les côtés. Euh, moi, je connais euh, le camp de Goudoumaria, par exemple, où des, des, repentis de, Boko Haram euh, sont hébergés. Beaucoup déjà sont réintégrés au sein de mm-hmm. la Ce n'est pas facile. C'est normalement, il y a un suivi à faire. Il y a de la sensibilisation au sein de la population. Parce que quelqu'un dont un proche a été tué, un père, une mère a été tuée dans le cadre de ces conflits-là, mm-hmm. il va aussi essayer. C'est-à-dire la réinsertion, elle demande beaucoup, de temps, de patience, de mhm. sensibilisation vraiment. D'accord. Alors Ousseini, euh, que ces anciens combattants renouent aujourd'hui avec les autorités nigériennes, quels peuvent être les enjeux ben, Les enjeux. <coughs> Moi, je projette ça sur le futur. Mhm. N'est-ce pas Pourquoi Je le projette sur le futur. Parce que tout simplement, depuis 90, on assiste à ce phénomène-là. Des, déjà, des, combattants qui déposent les armes. Je veux dire, des combattants, des gens qui ont été ministres. Sebola a été ministre pendant 18 ans de ministre. Parce que tout simplement, le régime a, échappé, leur a échappé. Il dit, j'ai créé une rébellion. Est-ce que ça, c'est normal Il faut qu'on mette en place un mécanisme les gens peuvent prendre les armes dans des contextes précis. Mais parce que tout simplement, tu as perdu. Tanja était colonel, quand il a, déposé euh, la tenue, mhm. il a décidé d'être politique. On l'a débarqué. Est-ce qu'il a pris les armes Est-ce que les gens pensent qu'il n'est pas en mesure de mettre en place des mécanismes avec des gens Peut-être qu'il est devenu à un niveau vieux. Alors, il faut que les gens comprennent les armes ne sont pas la solution. Hmm. Les armes ne peuvent pas constituer une solution. J'ai un problème. Je peux trouver des manières pacifiques, de résoudre le problème, oui. Des mécanismes pour me faire entendre. Est-ce que je dois forcément prendre les armes Et quand on regarde un peu comment ça se passe, c'est le plus souvent des gens qui n'ont pas de compétences particulières ceux qui prennent les armes. Mm. Peu de on menace, on a créé un groupe euh, de ceci, de cela. Mm. Il faut Nafisa. Ce pays-là, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de développer. Quand ils prennent les armes, moi j'ai causé avec des gens d'Agadez, j'ai causé avec des gens de Difa jusqu'à Nyingimi, mm. j'ai causé avec des gens, des jeunes gens. Ils me disent non. Ils ont compris les enjeux. Ceux qui avaient pris à l'époque dans les années 90 là, c'était pour l'intérêt personnel. C'était pas pour le développement de la région. C'était des enjeux strictement personnels. Oui, donc à vous entendre aujourd'hui, prendre les armes n'est pas la solution. C'est pas, hein, la solution. Quel que soit par ailleurs le problème auquel tu es mhm. confronté, tu es confronté, tu vas prendre les armes, tu sors, tu dis, tu as pris les armes. Aujourd'hui, donc, euh, si c'est désormais ex-combattants ont décidé de déposer les armes à la demande des autorités, euh, c'est un plus pour les autorités. Ils vont reprendre les armes demain encore. C'est ça qu'il faut craindre. C'est selon ça vous. Dit, hein. quand, quand, quand, quand, tu déposes, mhm. tu décides de déposer. Ça dit que tu as déposé de manière définitive. Ce n'est pas que on va t'accepter on va même te donner des positions institutionnelles. Oui, donc, mais qu'est-ce qu'on doit leur assurer à ces, ex-combattants pour mieux consolider cette reddition, selon vous Moi, je ne vois pas. Quand tu déposes, tu as déposé et tu as dit que voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé de déposer. Hmm. Tu n'as pas fait un, seul coup de feu. Tu es venu, tu, même si tu as fait des coups de feu, tu t'en vas. Tu ne reviens plus, tu vas mettre du temps. Mhm. Pourquoi doit-on continuer à gérer J'ai vu qu'un Tanja, que Dieu est son âme, hmm. que Dieu le mette dans son paradis. C'est devant moi, à Agadez, la rébellion MNJ. J'étais dans la salle. Hmm. Il a dit au chef rebelle, j'ai décidé de ne pas négocier avec vous parce que vous n'êtes pas plus malheureux que ceux qui vivent dans des contrées autres, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas, mais qui survivent, qui travaillent hmm. pour surmonter la pente et qui, qui sont soutenus avec le peu de moyens dont l'État dispose. Hmm, hmm. Pourquoi vous allez prendre des gens Est-ce que c'est votre métier Ça s'est passé devant moi dans la salle dans la salle à et on, est, on, on, partait pour mettre le Imourayan. Oui, mais dans toute situation, la, la, euh, dans toute situation, toute une négociation est nécessaire. Quelle négociation Aujourd'hui, les autorités actuelles ont décidé de négocier, avec. Non, mais je veux dire, non, moi je suis contre le principe de négociation parce que ça implique quoi Ça implique qu'on donne des postes de conseiller, de ceci, de cela. Dans les institutions, moi je suis contre cette pratique ou quelqu'un qui n'a mhm. aucun mérite, mhm. parce que tout simplement, il a pris Kalash ou Alors, on, merci. On, vient lui donner, on, lui donne un peu de conseil. Oui, il n'a aucun niveau, il n'a aucune capacité même de mhm. conseiller celui qui l'a nommé. Mais pourquoi on doit continuer dedans Depuis 90, 91, on est dans cette situation-là. Pourquoi doit-on continuer dans cette situation Non. Aujourd'hui, si euh, Abba euh, Arimi euh, pense que c'est une très bonne chose, cette reddition, ou Hussein un peu sceptique. Vous, de votre côté, quelle est votre analyse Pour moi, la paix n'a pas de prix. Mm-hmm. Et je pense que, quels que soient les moyens par lesquels on peut l'avoir, il faut y aller. Si le pouvoir de Niamey a cru juger bon d'être ouvert, mm n'est-ce pas, par rapport euh, au dialogue, pour que ceux parmi nos compatriotes qui sont euh, égarés reviennent à la, à la, raison, moi je ne vois pas d'inconvénient. Hmm. Euh, seulement, ce qui est un peu malheureux, c'est que ces gens qui avaient décidé entre-temps de prendre les armes c'était dans un contexte euh, très précis et très particulier et qui a même surpris plus d'un. Mm. Il s'agissait pour eux de faire en sorte que le, le, président Dechu soit euh, rétabli dans ses, dans, ses fonctions. Donc apparemment, c'est qu'à l'analyse, il n'avait pas de programme particulier. Mm. C'est un, problème purement politique. Mm. Alors, le que euh, euh, Abba euh, que vous avez interrogé a été vraiment très succinct et a mhm. posé tout le problème. C'est que ceux qui ont décidé de prendre les armes face au pouvoir de, de Niamey, leur capacité de nuisance est, est moindre. Mhm. Donc, sachant pertinemment, même moi j'ai fait cette, euh, cette analyse, cette lecture, sachant pertinemment qu'ils sont dans une position vraiment, euh, euh, les rapports de force n'est pas de leur, à, leur faveur. Aujourd'hui, avec la montée en puissance pas, de l'armée nigérienne, il va falloir être accordé une oreille attentive mm. à la main tendue, n'est-ce pas, donc du de, de mhm. Donc c'est ça. Deuxième chose, M. Euh, Monsieur l'a dit, la contribution, n'est-ce pas, donc des, des communautés, n'est-ce pas, donc les sages, qui ont effectivement euh, fait en sorte que ces négociations puissent aboutir, euh, pendant, pendant des mois mm. encore. Face à cela, on a compris qu'il y a eu pratiquement quelques, des centaines au-delà de 400, en tout cas 400 selon les, chiffres, mhm. qui ont décidé de, de déposer, les, armes. Mais dans, dans, dans, ça, en déposant les armes, le pouvoir de Niamey a également un programme, je crois, pour, mhm. eux. Donc oui, justement, comment même les deux parties doivent euh, œuvrer pour une meilleure réconciliation non, du, du, il y a un, programme, c'est le programme de démobilisation, mm. euh, des engagements, désengagement, désarmement et réinsertion. Donc mm. c'est sur ça là que le pouvoir de Niamey va essayer, n'est-ce pas, donc de tabler, discuter avec euh, ceux-là qui sont revenus à la, à la raison mm. pour leur montrer qu'en réalité, le Niger, il il nous appartient à tous. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de, de souveraineté. Il faut également tout simplement travailler, regarder de la même direction le développement socio-économique de notre, de notre pays. Je crois que c'est ce langage que, de part et d'autre, on doit essayer de, comprendre et aller de l'avant. Mhm. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, donc de, prendre les armes pour mhm. euh, revendiquer quoi oui, que ce soit. Je crois que voilà. Oui, d'accord. Rapidement, Hussein, il ce sujet, oui. Je te réponds. Ah, hein. Ça ne doit pas être, se faire de manière systématique. Mm. On a connu dans les années 90 cette situation-là. Hmm. Tout le monde, il y a pratiquement, en dehors de, ceux qui ont géré le système, le système politique de l'époque, les gens ont acclamé. Hmm. Mais quand ça devient systématique, parce que tout simplement, je perds un poste ou quelque chose comme ça, je peux considérer que je vais prendre des armes pour venir, tu es ou toi Voilà, c'est votre analyse, mais, non, oui, rapidement, nous allons clôturer Non, non, laisse-moi finir. <laughs> Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils ont déposé parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas faire le combat aujourd'hui. Oui, ah, rapidement, pas facile, ce n'est pas, ce pas si facile comme veut bien le schématiser Ousseini. Mhm que de prendre les armes, même quand tu l'as à ta portée, mhm. pour dire que je prends les armes, même pour 24 heures contre quelqu'un. Même dans la ville de Niamey, tu ne peux pas te mettre à la place euh, mhm. de la concertation pour qu'on vienne négocier. Je crois que ce n'est pas si mhm. simple que ça, n'est-ce pas Il faut qu'on face avec. C'est venu avec l'air du temps, mhm. n'est-ce pas Nous encore, on a des processus pour négocier, pour réintégrer, pour faire revenir mhm. nos fils, nos enfants, nos petits frères à des meilleurs sentiments. Tant mieux. Vraiment, parce que même quand c'est un seul une seule personne qui, prend les armes, qu'il se met dans le désert du Ténéré ou dans les collines, après, combien de militaires il faut engager combien de personnes il risque de tuer, mhm. combien de pertes il risque de générer pour notre pays, en termes même de paix, d'apaisement de, d'apaisement de, notre population, mhm. c'est quelque chose. C'est arrivé, il faut négocier avec tout le monde s'il le mhm, faut. Merci bien, donc euh, nous allons observer une courte pause avant d'entamer le second sujet de ce forum de la presse. Parlons éducation, prévu débuter ce 5 décembre la grève de 48 heures que la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation et de la formation et la coalition des syndicats de l'éducation et de la formation professionnelle projetée d'observer est levée. C'est à l'issue euh, d'une rencontre avec la ministre Elisabeth Chérif après des échanges jugés constructifs qui se sont poursuivis au cabinet du Premier ministre. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties. Je vous propose d'écouter Issouf Chérif porte-parole de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation. Nous avons commencé les négociations aussitôt le préavis déposé. Nous avons fait trois jours de négociations autour de l'ensemble des points inscrits sur la plateforme revendicative. Surtout sur le point objet du préalable, notamment le recrutement à la fonction publique de tous les enseignants contractuels et le paiement des incidences et rappel ce salaire. Le Premier ministre nous a conviés pour euh, nous expliquer clairement de la volonté du CNSP et du gouvernement de faire des efforts. Si le recrutement 2024 n'a pas pu se faire, le Premier ministre nous a annoncé le ferme engagement du gouvernement de recruter au cours de l'année 2025. Il dit qu'au moment du recrutement, qu'ils vont prioriser le secteur de l'éducation. Alors c'était là Issoufa Chérif, porte-parole de la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation. Euh, donc euh, le mot d'ordre de, la grève qui devait débuter le 5 a été levé le 4 euh, tard dans la nuit. Hussein Issa, que pensez-vous donc de cette décision de la dynamique de lever son mot d'ordre après les négociations un peu qui s'est ce qui a été décidé, hmm. j'ai suivi un peu, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a Une pas, négociation en présence non, ministre, de la ministre de l'Éducation. C'est juste des engagements, des promesses qui ont été formulées par rapport aux revendications des enseignants. C'est un milieu que je fréquente. Le recrutement beaucoup. à la fonction publique. que je euh. connais beaucoup. Mhm, mhm. Moi, je me suis dit quelque part, mais c'est quoi ces histoires-là C'est à la veille des mouvements de grève quand on vous appelle pour vous dire venez, on va négocier. L'avant-veille, trois jours ou quatre jours. Hmm. Après, vous allez trouver un terrain d'entente. Il y a des engagements, des promesses qui ont été formulées sans aucune garantie, parce qu'il n'y a pas de garantie. Hmm. Moi, mon problème, depuis qu'il y avait que les, leurs âmes, et Ibrahim dit tout ça, <laughs> c'est... Les autorités précédentes. Non, non, oui, bien sûr, les syndicalistes, euh, euh, ma chaîne les Ben Omar, mhm. avec qui j'ai travaillé, je, me dis quelque part, aujourd'hui, on sait comment les choses fonctionnent. On, mhm. on sait comment ça fonctionne. On appelle les gens à l'avant-veille, on discute avec eux, on crée les conditions pour que on arrête, on arrête le, on n'engage pas le mouvement. Tout ça là. Parce que tout simplement, il n'y a pas de conviction. Les gens rentrent dans les choses sans aucune conviction. Hmm. C'est ça ma conviction profonde. Les gens rentrent dans des luttes et des combats sans aucune véritable conviction. Et je suis capable de le dire haut et fort partout où je vais passer. Parce que tant qu'il n'y a pas de conviction. Ce préavis est le second. Ils mais ont observé une grève le 18 et 19 novembre dernier. Non, Qui a d'ailleurs été suivie dans presque tout le pays. Ça monte un peu, mhm. quelque part, parce qu'on euh, peut dire que le charme est rompu. Le charme est rompu. Il y a eu un délai de grâce. Aujourd'hui, il y a une situation qui est là. Des domaines comme l'éducation, mm. comme la santé. Mm. Moi, je dis, c'est des choses qu'on ne doit pas négliger. On ne peut pas considérer que on va continuer à exploiter les gens pendant des décennies sans créer les conditions pour qu'ils puissent demain se prévaloir de, comment ça s'appelle d'une retraite ou quelque chose. Hmm. On est dans cette situation là. Bon, c'est ce qu'il a dit. Quand je l'ai suivi, shérif là, hmm. Ils vont faire des AG aujourd'hui pour expliquer aux militants. Hmm. Pour expliquer quoi aux militants eh Oui, dans le, dans le communiqué conjoint, il ressort que le Premier ministre a marqué le ferme engagement du gouvernement à prioriser le secteur de l'éducation concernant le recrutement, la reprise du paiement, tout ça, du rappel fait longtemps que ça dure ces histoires-là. Hum, hum, hum. Ces histoires de promesses-là, ces histoires de ces promesses sans lendemain. Ça fait longtemps que ça dure. Est-ce qu'on a besoin Non, on doit créer les conditions parce que, moi, je le dis, on ne peut pas négliger des enseignants. On ne peut pas négliger mhm. des agents de santé. C'est ça, ça on pense que c'est un bon début avec ces négociations. Après, déjà, une grève Non, est-ce que demain, est-ce que c'est véritablement l'engagement qui a été pris là mhm est-ce qu'on va, on, va le, on va le respecter On attend l'année parce prochaine, en 2025, je vais, de 2025. Je, parle sous le contrôle de Arimi. je parle sous le contrôle de Arimi. <laughs> Alors Arimi, quelle est votre appréciation vraiment euh, de cette euh, situation euh, La dynamique qui lève son, son préavis de grève après des négociations avec le Premier ministre, la ministre de l'Éducation Moi, je pense que c'est mieux que ce qui s'est passé lors du premier que ce qui s'est passé lors du premier préavis, mhm. qui a d'ailleurs été observé. voilà, où des d'autres membres de d'autres membres d'autres syndicats sont venus euh, vouloir casser la grève et tout. Mhm. Ça au moins ils ont discuté avec le bon interlocuteur. Mhm. avec euh, d'ailleurs euh, la présence, semble-t-il, du Premier ministre, eh eh n'est-ce pas, et qui a donné sa parole. On est en Afrique, la parole, mhm. euh, ça compte. Pour l'instant, dans le, contenu de l'accord, il, est, vide. C'est à partir de En il n'y a pas, comme on dit mhm. dans, le langage des syndicalistes, il n'y a pas d'acquis concret pour l'instant. L'engagement qui a été pris, les partir disent, il faut le préciser, Rana, oui. Les, les disent Rana C'est des <laughs> Donc ça vient, parce que le mois de décembre là, à mhm. partir du 18 décembre, c'est fini. Pour les, ils vont en congé à partir du 22. C'est fini selon le nouveau programme. Mais on reprend en janvier. Mhm. Et si aujourd'hui, demain, parce que euh, il y a quelque chose que et les autorités et les syndicalistes essaient de s'attirer vers eux, c'est nous, les hommes des médias, mais c'est aussi la population, mhm. n'est-ce pas La population a suivi que pour que ces enfants aillent à l'école, le gouvernement a pris des engagements ferme qu'ils vont essayer de satisfaire les enseignants à partir du mois de janvier. Les deux points nécessaires, c'est le recrutement à la fonction publique, le paiement du rappel sur salaire et incidences financières. Ok, Mais janvier va venir. Mhm. Hein? Les enfants disent, euh, lundi va venir, on va voir la maman de qui et madame. <laughs> Ok, donc on va voir qui, si l'engagement, parce que c'est un acquis, ah, quoi qu'on dise, important, mhm, mhm. parce qu'on vient de loin on, on vient de loin. Vous, rappelez-vous de la période où une centrale dépose son euh, ce mot d'ordre de grève ou ses revendications et l'État négocie avec une autre syndicale qui n'a euh, jamais mhm, déposé. Mhm. on a connu ça aussi mhm, dans ce pays. Donc c'est doucement, doucement, ça va venir. Entre-temps, ils vont faire leurs AG et tout. Ils vont prendre certainement que les, bases vont parler comme... Euh, comme l'a fait euh, Ousseini, ah et ils vont dire que, écoutez, vous ne nous méritez pas, vous ne nous avez rien remporté, et mhm. tout ça, ils vont le réclamer. Mhm. Et ils vont dire prochainement, vous pouvez même démissionner avant de venir parce que euh, vous ne nous apportez rien et ah on n'a pas confiance en mhm. vous. donc, c'est dans leur intérêt à partir de janvier encore de reposer. Mhm. vers déjà la première semaine de janvier, je suis certain mhm. qu'il y aura quelque chose. On dit, donc, à l'État, vraiment, mais on ne le souhaite pas. on, souhaite, souhaite que mhm. l'État, j'espère que l'État a ses moyens, mais aussi ces histoires d'incidence et tout, malheureusement, je crois que ça ne concerne pas que les enseignants et peut-être que c'est pour tous les fonctionnaires qui ont été recrutés pendant la période, peut-être. Moi, je ne sais pas. Malheureusement, si ces revendications ont, duré des années. Oui, non, non, je le sais, je le mhm. sais. Je dis que peut-être que même c'est élargi mhm. aux autres euh, cadres qui n'ont pas de moyens de mobilisation mhm. que les, euh, les, infirmiers et les, enseignants ont. Maintenant, si c'est le cas, personne ne peut être priorisé par rapport à l'autre ce n'est que les dates qui peuvent compter. Et c'est mhm. beaucoup d'argent. je ne sais pas. Est-ce qu'on mhm. en a au Niger actuellement assez d'argent mhm. pour pouvoir faire face à ça et au salaire normal, ordinaire qui suit son cours Parce que ça ne s'arrête pas. Malheureusement, c'est comme le japonais. Merci. Alors, ce sont des revendications qui, qui, qui, continuent, des revendications qui datent pas d'aujourd'hui. Euh, vous, Abdoulaye, aujourd'hui, quel, est, quel commentaire sur euh, cette situation, le mot d'ordre qui a été levé, les négociations entre les autorités. Quelle sera la suite aujourd'hui <coughs> La suite, euh, on attend de voir. On attend de voir euh, en 2025. Ils n'ont pas donné. De, 2025. Ils n'ont pas donné de, de, mois. Ils ont dit à partir de, de 2025, ils vont donner la priorité au secteur euh, éducation, au secteur éducatif, n'est-ce pas, dans le cadre du recrutement. Donc, euh, on attend de voir. Mais ce qui est à, relever, il faut dire que euh, l'état de grâce est terminé, semble terminé, n'est-ce pas, pour euh, le CNSP. Les couleurs ont été annoncées, vous vous rappelez, ici dans ce studio, on en a parlé mm. depuis les festivités en train dans le cadre de la fête du, travail ou des centrales syndicales ont, dans leur cahier de doléances, ont pris mm. l'engagement de ramener sur euh, la table de négociation leurs principales euh, revendications. Mm. Et on a vu, chemin faisant, déjà un mouvement de grève de 48 heures, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 18 et 19, qui a été largement suivi, mm. quand bien même quelque part on a tenté de briser le, mouvement en faisant appel à euh, certains syndicalistes, n'est-ce pas, en tout cas sur le plateau de Télé Sahel de la mm. nationale, qui mm. ont appelé à ce que le mouvement ne soit pas euh, suivi. Le euh, ce mouvement de, deux jours, du 18 et, de 18 et 19, a montré la force de frappe n'est-ce pas, de ces syndicats, en l'occurrence mm-hmm. la, la, dynamique, mm. ce qui a fait qu'aujourd'hui, le gouvernement à la veille de la, à, les appeler à la négociation parce que c'est des syndicats sérieux et qui ont une capacité, une force de frappe euh, terrible. Mm-hmm. Donc il faut tenir compte de, ces, de, ces, cela. Seulement, le mémorandum qui a été lu, n'est-ce pas, au sortir des, des consultations, avec euh, le Premier ministre et la ministre de, l'Éducation, ne mhm. renfermait que des promesses et un, certain mhm. un engagement, un certain ferme engagement de, mhm, n'est-ce pas, donc du ministre, du Premier ministre. On souhaite que ces engagements soient respectés pour l'année 2025. En tout cas, pour euh, que l'école, euh, la rentrée scolaire, la rentrée ne soit pas, l'école ne soit pas perturbée. Hein. Merci. Voilà. Nous allons observer une courte pause. Dernier sujet de ce forum de la presse, c'est ce jour 6 décembre que s'ouvre le Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Le thème retenu est promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes artisanes. Ainsi, du 6 au 15 décembre prochain, le SAFEM servira de cadre de promotion et d'écoulement des produits artisanaux africains et cette 13e édition, le SAFEM met à l'honneur le savoir-faire artisanal féminin de la région de Difa. Alors, Abdoulaye, je reste toujours avec vous. Comment vous appréciez cette rencontre du donner et du recevoir en matière commerciale euh, C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Parce que c'est depuis 2000 que le SAFEM a été instauré. Mm. Et depuis cette date à aujourd'hui, le SAFEM suit son bonhomme de chemin avec des fortunes euh, diverses. Aujourd'hui, nous sommes à la 13e euh, édition, 13e, édition, et qui est à, sa saluer. Donc, il y a chaque fois des, innovations. Alors, le fait de penser à la femme, c'est vraiment une très bonne chose dès l'instant où elle met en valeur euh, la, les potentialités, n'est-ce pas, de création, n'est-ce pas, donc de la, de la femme euh, artisane. On voit des produits vraiment de, de, de valeur, n'est-ce pas, avec le sceau, n'est-ce pas, de l'identité culturelle de notre euh, pays, ce qui est une très bonne chose, n'est-ce pas Donc, euh, je pense qu'il faut quand même faire en sorte que ça marche très bien. Mm-hmm. Il y aura peut-être, il me semble, deux, deux, deux endroits qui vont abriter ces, le, palais du 29 du 29 juillet et l'Académie des, arts euh, martiaux. Mm avec des pays et des pays, comment est-ce qu'on appelle euh, le pays de l'AIS, e à mm. savoir le Burkina, le, Mali, et le Tchad, mm-hmm. n'est-ce pas, et même le, Togo, qui vont venir, n'est-ce pas, pour euh, découvrir et peut-être même eux aussi prendre part activement à oui, Donc c'est justement un cadre de promotion et d'écoulement des produits artisanaux africains. ou Ousseini, quelle retombait pour l'économie du Niger et pour les exposants également je n'en vois pas. <laughs> Apparemment, aujourd'hui, le doigt est tout, pessimiste. non, je le dis sincèrement. Je le dis sincèrement. Parce que on n'institutionnalise pas des choses qui méritent d'être institutionnalisées. Le SAFEM, il est institutionnalisé. J'ai connu le FESPACO. Ça devait être ici. J'ai connu ah. Siao c'était ici. N'est-ce pas Aujourd'hui, ils se tiennent au Burkina Faso. au Burkina Faso. Parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent développer à travers ça. Et quand on institutionnalise, ça devient une activité qui peut permettre aux gens de travailler toute l'année parce que tu sais qu'à telle période, il y aura telle chose, je vais venir avec mes produits. Quand on ne fait pas ce travail-là, on considère que on va être nombriliste. On est là, nombriliste. On a créé un salon. De temps en temps, il y a des gens, un groupuscule de, de, gens qui mangent dedans, qui, quand la période arrive, on dégage un peu de fond, ils trouvent de quoi manger, et puis, et puis c'est tout. Non, vous allez voir, si y a où. C'est au niveau mondial. Des gens viennent d'un peu partout dans le monde. Le FESPACO, les gens viennent d'un peu partout dans le monde. Tant qu'on ne se met pas dans la tête qu'on peut créer des choses, ces genre de salons, de festivals et tout, on ne peut pas développer. On ne peut pas attirer, comment dirais l'extérieur. Mm. Et on est dans cette situation-là. Mm. On est tout le temps en train de créer parce que c'est nous qui donnons les idées, mm. mais nous ne sommes pas en mesure de faire en sorte que ces idées-là, ce qu'on a décidé de faire là, nous ne sommes pas en mesure de faire en sorte que les acteurs qui sont dans le dans, dans, dans, dans comment ça s'appelle dans dans, le secteur mhm. que les, ces acteurs puissent bénéficier de ça mhm. n'est-ce pas mhm. tant qu'on ne le ferait pas mais <clears throat> après c'est quand de quand à quand on a dit du 6 au 15 à partir du 15 là c'est fini ceux qui sont impliqués dans l'activité dans l'organisation à partir, ils vont juste déposer le bilan et puis c'est fini, C'est fini. Alors, dans ces conditions-là, comment on peut viabiliser le, sa femme, il est institutionnalisée maintenant. Non voilà, c'est une, propriété maintenant de, l'État du Niger. Oui. Euh, normalement, hum. c'était une initiative privée. Hum, hum, euh, je sais, entre autres, avec euh, Madame Achetou Kane Blama, n'est-ce pas Mais ce n'est plus le cas. Ça a été institutionnalisé à partir de 2020, je crois, mhm. n'est-ce pas Et ça devait être vraiment, euh, comme tu le dis, euh, un rendez-vous, n'est-ce pas, attendu de tous et qui fait sa communication tout au long de l'année. Mhm. Il peut même y avoir des mini euh, mhm. excusez-moi, des mini SAFEM, n'est-ce pas Des euh, conférences de presse de lancement, de, de ci, de ça, n'est-ce pas Mais là, on a appris ça euh, un peu une semaine avant, deux semaines avant. Et après, on est venu annuler, euh, non pas bon, reporter, pour des euh, raisons, pour des raisons bon, qu'on ignore encore. Mais on sait aussi que la DG a été changée un peu à la mm, veille, mm, tout ça. Mm, ça ne doit pas arriver. Le FESPACO, il y a tout un siège, toute une cour maouste qui est là, n'est-ce pas, qui fonctionne comme un service normal de l'État tout au long de l'année. Et c'est des gens qui doivent réfléchir sur des projets, sur des initiatives. Ce n'est pas une réunion, deux réunions qui décident de, la, tenue du FESPACO. Ça fait partie du budget de l'État du Burkina. N'est-ce pas mhm. Normalement, ça doit être par exemple comme la lutte traditionnelle chez nous, mhm. mais même la lutte traditionnelle n'est pas très loin de ce que Hussein vient de décrire. aujourd'hui, donc le, SAFEM, il est institutionnalisé, mais c'est l'organisation qui doit être revoir, revue, autant pour moi, oui. Même avec peut-être des, des structures plus ou moins autonomes, n'est-ce pas des, comment on les, appelle maintenant des, services publics à mm-hmm. caractère ci, mm-hmm. à caractère ça. Mm-hmm. On doit créer des choses comme ça qui fonctionnent grâce à une subvention de l'État, grâce à un contrôle Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de ça pour tout là où l'argent de l'État rentre, mm. mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Je suis entièrement d'accord. Le thème de cette année est promouvoir la propriété intellectuelle et accélérer l'inclusion financière des femmes africaines. Comment euh, on doit appuyer Ce matin, j'ai entendu euh, l'inscription au patrimoine mondial de mm-hmm. la Tchéquée, de la Côte d'Ivoire. Nos femmes, euh, on est dans une zone agricole et pastorale où les femmes ne sont pas dans le travail euh, physique. Mm. Nos femmes, c'est des créatrices, n'est-ce pas euh, toutes les femmes, chez moi en tout cas quand on était jeune, toutes les femmes savent faire des vannes, mm. toutes les femmes savent faire euh, des draps. Chacun pour lui-même, il sait le faire comme ce qu'on essaie de faire maintenant avec les foyers féminins et autres. Mm-hmm. Mais en fait, elles sont vraiment, elles ont une marge, n'est-ce pas, de progression parce que c'est quelque chose qui est connu. Mhm. Maintenant, il faut, on ne peut pas tout couvrir de droits, mhm. parce que parfois c'est des droits vraiment communautaires aussi, mhm. ça existe. Donc, sinon, moi, je trouve que c'est une très bonne chose, mais c'est toujours de l'entrepreneuriat féminin qu'il faut parler, à mon sens. Merci. Alors, oui. Comment la femme, aujourd'hui, quand tu vas à Maïdougouri, j'en finis, hein, euh, n'est-ce pas, tous les bonnets qui sont portées essentiellement au Niger, ce sont des femmes qui les font au fond de leur foyer mhm. et donnent aux, hommes pour les vendre. Mhm. Donc, c'est des choses aussi auxquelles il faut réfléchir. On a, on, a notre culture, on a notre religion. Mhm. Comment s'adapter pour que, malgré tout, l'économie soit une, économie de développement comment soutenir ces femmes entrepreneurs euh, pour, que, euh, pour être plus compétitives à l'échelle nationale et internationale Il faut leur créer toutes les conditions quelles conditions <laughs> Il y a déjà, je pense, euh, les moyens financiers. Mhm. Je crois que même cette, cette édition des femmes, de sa femme a voulu faire un clin d'œil en direction des, des, partenaires techniques et financiers pour avoir euh, une certaine surface euh, financière et faire face, n'est-ce pas, mhm. au bon, à la bonne organisation donc, de cette 13e édition. Mhm. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut les moyens, il faut faire en sorte que c'est un événement qui, tout au long de l'année, doit être au cœur, n'est-ce pas, donc euh, de ceux qui sont appelés à, à, l'organiser. c'est un événement qui est annuel, chaque, deux ans. donc il, faudrait, il mhm. faut vulgariser des expositions. Chaque édition doit mhm. marquer son temps. Mhm. Voilà, chaque édition doit en effet marquer son temps. Voilà. un le véritable problème, c'est fini, non On va faire des 6 au combien 15, au 15 décembre. Après, là, tu vas plus entendre parler de sa femme. Tout à fait. Il n'y a aucune activité. Mm, mm, mm. Comment, dans ces conditions-là, on peut faire de cet événement quelque chose d'important qui va attirer économique, et, social Malheureusement, c'est ça le problème de ce pays-là. N'est-ce pas Tout à l'heure, toi, Arimi, tu viens de dire la lutte traditionnelle. On peut en faire euh, une activité qui peut euh, sportive, qui peut ramener qui peut la, la, coupe mondiale la coupe mondiale la mhm. la la la mais, quand les gens c'est juste pendant que la période arrive on tu dénonces c'est une réalité malheureusement ça nécessite on une bonne organisation les gens, à ce moment ils se lèvent parce qu'il y a de l'argent des millions qu'on va injecter dedans chacun est dedans après quand a fini là, le jour où on a, fini, on a, fini le sabre, on a fini de, faire la lutte, on a dit final, Le lendemain, on va entendre à la radio, à la télé, voilà celui qui a pris le sabre. Après, c'est fini. Comme si c'est pas une activité, c'est pas une profession, hmm. Hmm. activité sportive. Hmm. On doit pouvoir créer les conditions pour que ce soit sur toute l'année Tant qu'on ne le ferait pas, moi je me dis, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais est-ce que les moyens le permettent Quels moyens Il faut créer les moyens, il faut se donner les moyens. <laughs> Mhm. Il faut se donner les moyens. Moi je pense qu'il faut réfléchir mhm. grand. Mhm. Il ne faut pas malgré la situation qui a prévalu au Burkina Faso, parce que je suppose qu'aujourd'hui c'est un peu mieux, mais ils n'ont jamais sauté le FESPACO. Hein. Voilà. Ils n'ont jamais sauté le FESPACO. Et l'État de. Oui, le, et le CIAO. Le FESPACO, c'est pas moins d'un milliard de francs CFA que l'État du Burkina mais, hmm. N'est-ce pas le tour du Faso. Euh, voilà, le tour du Faso. Ah, ils ben. n'ont jamais laissé, hmm. malgré la sécurité, voyez-vous. Hmm. Donc vraiment, c'est des choses essentiels quand on les crée, on les maintient. Mhm. Le succès, le sponsor les, les gens qui subventionnent ne créent jamais le succès. Mhm. Ils l'accompagnent. Mhm. Donc il faut créer le succès pour qu'ils viennent c'est, après, c'est eux qui vont te courir derrière. Mhm, mhm. c'est comme ça que ça se mhm. passe. L'État, donc, euh, doit revoir euh, l'organisation de ces éditions du SAFEM pour mieux euh, soutenir les femmes, comme ils l'ont dit. Donc, c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 6 décembre 2024. Merci Ousseini, sa journaliste indépendante, Arimi Abba, journaliste à la radio alternative, Abdoulaye Soumana, journaliste indépendant. Merci pour vos commentaires appréciation et analyse. Chers auditeurs et auditrices des programmes de Studio Kalangou, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme des jeunes les samedis et dimanches dès 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums à Hausa et Zarma les samedis et dimanches à partir de 18h15. La technique est assurée par Seni Saka. Je suis Nefissa Adam Sifa. à la modération. Très bon week-end à tous. Au revoir.